et qu'il se sépare de ces gens qui l'accompagnent avons di première charte bi ñaareelu charte bi dama bëgg Ousmane Songo publiquement avant ñuy débat qu'il condamne le MFDC qu'il leur demande de déposer sans condition les armes qu'il soutienne publiquement notre armée nationale et qu'ils reconnaissent que la Casamance est une et indivisible que Casamance est une et ko bokk ñoom ñëpp ay ànd doon ay sénégalais pour ñëpp dégg troisième charte bi compliqué Oul troisième charte bi compliqué troisième compliqué Oul Moi, Ousmane Sonko qu'il déclare qu'il respecte les institutions de ce pays et qu'ils s'engagent à arrêter à les dénigrer et les insulter bi mujj nag bi pour que ce débat ait lieu compliqué wul man damay jàppale néew ji ci les femmes et les jeunes filles na setali deram ci lu liñ ko tuumaal na setali deram ci liñ ko mal condition yoyou condition yo condition yooyu condition yo bu ko remplir ba nopi fu ma wo ni mu ko famuko fa mu ko beugé en wolof en français et en anglais parce que nak li tax ma teg ci anglais moy pétrole bi ñu yor ak gaz bi contrat yi ci anglais lañ koy bindé fokk mu man di wax ak nit ñi kon anglais bi aussi ci la bok